Il est midi sous une forte canicule, le thermomètre affiche 40 degrés sous le soleil. Nous sommes bien au centre-ville de Tambacounda. Ici, l'ambiance des camions gros porteurs et moto Jakarta rythme le quotidien de la population. Derrière cette belle ambiance se cache un lot de difficultés

ñoom seen biir xam nañ carrément risque la ñu dawee. bëri na fi ay accident waaye bugguñ lu tax bu bëri accident Jakarta mu ngi daw waaye bugguñ ko du taxi jaune noir du tata yi bugguñ yii daal bugguñ sooy do sooy dof-dof lu tuuti ñu yenu la mu compte rien. ay risque la moom dawal Jakarta risque la de soo ko waree soo xëyee raw euh, war sa moto nel fu ne nii yaa ngi si diggante dund ak dee. ñàkk moyen la tamit quoi pour dimbale seen njaboot loolu tax ñuy euh, di rey seen bopp di rey seen bopp bugg dugg euh, dem ay Italie pour am liggéey foofu. pour lutter contre ces cas d'accident liés aux moto Jakarta un centre de formation des jeunes a été ouvert Boubacar jara est le moniteur dans ce centre. lu ma tax ak ñëw fii ci Tamba sax mooy que na ñëw pour former les moto Jakarta ci code de la route pratiquement soo xoolee ndaw yépp Jakarta la ñuy dawal. Jakarta bobu ñuy dawal tay ji so xolé aussi so demee gëstu leen ñom seen famille lañ ci yor ñu gis ne que comme dëkk bi ñun ñoko ko bokk te ay sénégalais lañ bala ñi dem di jël ji gal bala ñi dem di def agression bala ñi dem di def ji naka sudul noonu tey ji ñi jëma sét seet former suñu jën si lu nga xamantene ci loolu lañu gëm pour mëna am dara ci réew mi. Même les femmes aussi ne sont pas épargnées de cette conjoncture économique. Ici, l'automatisation des femmes n'existe que de nom. Nous n'avons pas encore reçu de financement le, ministre Moussa Diop qui était là avait fait de toutes les régions, je crois qu'il lui restait la région de Tamba et la région de Kédougou. Et les femmes s'impatientent, et à juste raison. Les femmes s'impatientent parce que la, on dit que la, pauvreté est féminine, mais la pauvreté est orientale. Pas tellement autonome, mais c'est les femmes djambars qui se sont autonomisées elles-mêmes parce qu'elles sont dans les champs, elles sont au marché, sont partout avec leurs propres moyens. C'est des femmes dignes qui ne commandent pas. C'est des femmes dignes qui ne vont jamais vers les gens pour, pour, tendre la main. il y a beaucoup de difficultés parce que c'est encore l'emploi des jeunes. Vraiment, c'est un facteur. Vraiment, nous voulons vraiment, avec aussi encore les femmes surtout, les, jeunes et les femmes, vraiment, nous demandons aussi encore euh, à l'État, vraiment encore euh, de les aider davantage. Euh, parce qu'ils en ont besoin. Face à ce calvaire, les autorités locales rassurent que l'espoir est toujours permis. Tout n'est pas rose, mais quand même, au niveau de la région, particulièrement dans la commune, chef-lieu de région, quand même, il y a des projets qui sont là, vraiment qui, qui sont derrière les jeunes, n'est-ce pas, pour les aider, n'est-ce pas, dans leurs projets, éventuellement aussi à leur financement. Tamba, c'est l'avenir du Sénégal, parce que Tamba est un carrefour on ne peut pas quitter le Mali, aller à Dakar sans pour autant passer par Tamba, ni la Guinée-Conakry, ni la Guinée-Bissau, ni la Gambie, ni la Mauritanie. Donc Tamba, euh, c'est un carrefour et je crois que le président de la République a compris que euh, le développement du Sénégal restera à Tamba Kunda. Parce que depuis l'avènement du président Macky Sall à la magistrature, à la magistrature suprême, vraiment la situation euh, économique vraiment s'améliore vraiment davantage. Vraiment, on a bon espoir vraiment à l'avenir vraiment de la région de Tamba. Semble perdre la confiance. Toutefois, il invite le président de la République à leur venir en aide waaye mbooleen luñ la wax su passé passé na amatuñ si yow soxla. nguur gi daal war nañ ci mën a jàppale daal. waaw nu mu gën a yomb baaxee si ñin daal moo gën. parce que instant bi nii bàyyi am na si ñoo xamante ni dañu néew doole néew boo xamante lu yàlla xam doy na. en attendant que des solutions soient trouvées aux attentes de la population de Tambacounda. La forte canicule insupportable continue d'accabler la région orientale où la température avoisine parfois les 45 degrés.